Fonction Fonction technicien bâtiment. Actuellement, vous êtes actuellement mon conseil conseiller. d'accord le moo fi seen de bon comme nous avons fait chaque année à chaque fois à l'approche de Pâques maire bi day aide à l'endroit de la communauté chrétienne de Pékin Nord représenté par la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert donc ci non la pour jël li nga en tant que citoyen mais aussi en même temps nous xamné tamit ci paroisse paroisse Notre-Dame du Cap-Vert ci gox tamit Saint-Christophe mu nekk lo xamné maire bi da de chaque année c'est vis-à-vis à l'endroit de membre yi nga acte boobu dañ koy saluer mu nekk acte boo xam ne bu rafet la acte la boo xam ne tamit gis nañu loo xam ne lu rafet la mu koy mu ngi koy def te nekk na acte bi nga xam ne tamit ñun ñu ngi koy saluer di ko gërëm ci loolu di ko sant di ko ñaanal tamit loolu yokk maanaam affaire yi gën a jëm kanam chaque année daal ñu ciy gën a gis suñu bopp daal. ci koppar jox nañu un million deux cent cinquante mille. ci séddale bi comme communauté bi tamit dafa am ay famille donc chaque famille nous ba ku ci J'ai jot ci li nga donc euh, je m'appelle Fernand Tijan je suis le conseiller au niveau de la communauté mais j'étais un ancien président au sein j'étais un ancien président au sein de la communauté mais actuellement comme poste je suis conseiller au sein de la communauté Saint-Christophe d'Aïnoumane. Donc on est venu parce que on fait partie de cette commune. Bien sûr qu'on est de la paroisse Notre-Dame du cap mais nous faisons partie de cette de cette commune, de, cette commune de Pikine Nord à la communauté Saint-Christophe Aïnouman. Donc comme le maire le fait, nous sommes venus aussi, comme chaque année, à l'approche des fêtes de Pâques, nous sommes venus pour l'aide qu'on distribue au sein de, de, chaque commune. Comme nous, sommes une entité de la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert, la communauté Saint-Christophe d'Aïnouman, qui est ici aussi au niveau de la commune de Pikine Nord, chaque commune, au niveau des communes, on fait ça. Donc nous aussi, on est venu prendre notre part au sein de cette commune, comme on le fait dans toutes les autres communes. Donc l'initiative du maire, c'est à saluer, c'est un bon geste, c'est quelque chose de noble. Donc nous lui remercions pour ce geste et nous pensons que ce sera une geste qui sera perpétuée à chaque année et que cette aide aussi puisse être augmentée pour que chaque membre de la communauté chaque famille de la communauté puisse se sentir vraiment que cette fête-là, ce que le maire nous a donné, vraiment on a senti ça, on a, pour qu'on puisse fêter ça normalement pour que chaque membre au sein de la, communauté puisse sentir que vraiment la fête de Pâques, ce que le maire nous a donné, vraiment nous a aidé à puisse vivre, même à puisse vivre cette fête tranquillement. Même si peut-être que c'est un geste, mais ce geste à saluer, c'est un beau geste que c'est un bon geste où les membres de la communauté vont vraiment se sentir épanouis, se sentir vraiment que nous, sommes dans une communauté, mais la communauté où nous sommes, il y a une, commune là-bas, la commune qui est dans cette commune. Euh, au niveau de cette communauté, je veux dire, au niveau de cette commune, vraiment, nous sentons que il y a un maire qui nous accompagne. Voilà, c'est le terme que je voulais. Il y a un, maire qui nous accompagne vraiment au niveau de cette communauté et nous sentons vraiment son appui au sein de cette communauté. L'enveloppe s'est estimée à 1 250 Donc pour la distribution, comme nous sommes une communauté et que cette communauté aussi est, composée de plusieurs familles, nous ferons tout pour que chaque famille puisse recevoir ce dont il est,

ni ko julli doo amee ci weeru koor ay suukaru koor noonu la ko chrétiens yi mérito war ko am ci donc mu dal ko def monsieur le maire Amadou Diarra dal ko def alors ren aussi mu metti lon ndax élection la nek nekk bi ñu nekk troisième mois de l'année nga xamni budget bi réellement nekkul en place mu tombé ak également wara fay salaire yi ndax jamono bu 18 dem ci 19 h monsieur le président de la commission je vous informe que j'ai ma fais tous les efforts nécessaires pour ne pas décevoir la communauté chrétienne man dans def tout pour pour lu ma tas yaakaaru ñi nga xam ne ñoo fi nekk communauté chrétienne bi dëkk bokk ñun mbir mi seen alal la ah loo ci def baax na mu def effort ci 1 million dañ ci 1 million 250 mille amoon nañu joxe 1 million 500 mille kon loolu moom yeeyoo nañu ko gërëm donte donte ñu jox nit ñi ñoo ko moom waaye def na effort pour mën a nekk loolu mooy bésu tey bi sant bu baax remercier ko wax aussi communauté chrétienne bi seen yëf la ñoo ko bokk ndax ci ci biir noor ngeen dëkk té collecte bi ñuy def muy collecte euh, euh, xaalisu euh, Pikine Nord mu déllu ci Pikine Nord moy rôle monsieur le maire té mi ngi koy def kon sant ko gërëm ko plan social en tout cas en tout cas président de la commission sociale enveloppe bi million la ak juróom fukki junni yéene moo nekkoon mu dem ci million ak juróomi téeméer ak téeméeri junni ndax yu njëkk yi 300000 la ba ci 1 million ren mu nekk 1 million bu teg juróomi juróom fukki junni yàlla yàlla may ñu fekk ko déwén doli sutura ak moyen ak kattan ba nga xam ni seen yaakaar dana gëna a dana leen jox lu seen yor loolu la ñu loolu monsieur le maire bëgg loolu la commission sociale bëgg loolu la conseil municipal bëgg en tout cas loolu Pikine Nord bëgg doxal ak ay nitam ñi nga xam ñoo bokk mbir mi. bi ci bi ci war a présider mooy monsieur le maire politique wu ko xàmmewul catholique bu and ak mom ak catholique bu andul ak mom daf ko jox la communauté chrétienne bu Pikine Nord tek ko ci loxo communauté bi dafa laaj kan muy membre du bureau ñu le président baangi ni vice président baangi mu teg sen seen loxo donc ma bay ci xel ne commission sociale bi dañ ko def muy institution ci bir institution bi monsieur le maire président institution municipale bi xamé wu ci ku bok ci mom ak ku bokul ci mom ça moi je peux le mën na ko témoigner parce que ñaari ni ma fekkee bir mi nek président commission sociale lolu la ci mën je me présente je m'appelle Amadou Diara maire de la commune de Pikine euh, par ailleurs euh, membre de l'alliance euh, pour la République APR. Oui, le, candidat de Beno Bokyakar, euh, le président Ba a perdu l'élection présidentielle du 24 mars 2024, mais il n'a pas démérité. Je vous fais constater, par la même occasion, l'ensemble de l'opinion sénégalaise internationale, qu'au vu des scores de la présidentielle, comparativement au score des législatives que dirigeait Mimoutouré, il y a eu plus de 150 000 voix qui se sont rajoutées sur le score de Beno Bokyakar. Ça veut dire que le président Amadouba a apporté un plus. je rappelle également que Amadouba n'est pas un président sortant. C'est un candidat ordinaire comme tout autre. dire même qu'il n'a pas été soutenu par l'État du Sénégal prouve que le président Macky a été équidistant des candidats et même de celui de son parti. Et cette posture, je la, salue parce que cela démontre tout simplement qu'il y a une élection où le, président sortant n'est pas candidat, s'il avait pris les moyens de l'État et ses moyens personnels et sa dimension personnelle pour faire gagner son candidat à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Aujourd'hui, il a, malgré ce que les gens disent, il a eu à adopter cette posture-là. Et Amoudouba également a su conduire l'ensemble des troupes de la majorité présidentielle pour dire que partout où nous étions faibles, les résultats ont montré qu'il y a eu un surplus. Le fait est que maintenant, l'opposition dans le électoral est majoritaire, en tout cas dans les zones de banlieue. Dakar, la capitale. À Fouta, c'est le Beno qui est majoritaire. Chaque fois, on les gagne. Dans le fichier inscrit vers le Fouta, dans beaucoup de pays, de beaucoup de régions à l'intérieur du pays. Mais ici, dans la capitale, quoi qu'on puisse dire, le fichier électoral existant, le contenu, l'opposition est majoritaire. S'ils sont divisés, le Beno gagne. S'ils se réunissent pour faire un tir groupé comme au, second tour, mais ils gagnent. Ici, ajoute il y a ce qu'on appelle le pourrissement du pouvoir. Deux mandats, le Sénégal est aujourd'hui dans la conscience populaire vers le mimétisme démocratique. Ce qui se passe en Europe, en Occident et même aux États-Unis, deux mandats, ça suffit. Je ne partage pas ce point de vue, mais c'est la majorité aujourd'hui dans la conscience populaire. Deux mandats, vous le faites, les intellectuels vont théoriser le pourrissement du pouvoir. Donc il fallait une alternance. Ousmane Sonko n'a pas gagné Macky parce qu'il n'était pas son adversaire. Il n'a pas gagné Amadouba parce qu'il n'a pas pu réduire les scores de l'électorat d'Amadouba. Mais il a doublé l'opposition et les leaders de l'opposition. Parce que quand le pays a soif de changement, le leader de l'opposition qui se positionne à la station de l'alternative va recueillir l'ensemble de ces voix-là. Et pendant que Ousmane Sonko faisait comprendre aux gens qui se battaient contre le régime, il a eu le soutien vraiment bête de l'ensemble, excusez-moi du terme, de l'ensemble des leaders de l'opposition, qui le suivaient comme un mouton de panurge, sans comprendre qu'il voudrait être à la stèle de la position d'occupation de l'alternative au changement. Et malheureusement, ils l'ont compris très tard. Finalement, les Sénégalais ont dit, si ce n'est pas le pouvoir, le véritable opposant qui s'oppose réellement, c'est celui-là qui s'est victimisé, qui a réussi à être dans cette position euh, de l'alternative au pouvoir et c'est Ousmane Sonko. N'importe quel candidat qu'il désignerait, ou lui-même, même si Dioma était en prison, il gagnerait, parce que la communication et l'erreur qu'a faite l'opposition, c'est au lieu de le disputer cette position, ils l'ont soutenu dans cette victimisation jusqu'à l'installer confortablement dans cette position. Voilà l'activité que j'en fais. Donc il n'a pas démérité, il a eu cette stratégie qui est passée comme l'être à la poste, euh, avec l'aveuglement des leaders de l'opposition qui ont porté ces pouvoirs. Regardez Ousmane euh, euh, Il ne mérite pas sa position. Mais lorsqu'il allait à Zégançon pour soutenir euh, Ousmane Sonko, il n'avait pas compris qu'il donnait ses voix à Ousmane Sonko. Regardez Bod, regardez Détifal, tous ces gens qui pensaient pouvoir récolter en s'approchant de Passef, ont renforcé le leader du PASSEF, et aujourd'hui, il s'est constitué à l'alternative de l'alternance. Donc c'est heureux pour le Sénégal. Aujourd'hui, malgré les dénigrements sur la presse internationale, sur la presse nationale, la diabolisation de Macky Sall, personne ne peut le, le, décrier sur sa gestion, sur son bilan. Tout le monde comprend aisément qu'un des candidats n'a battu campagne en proposant aux Sénégalais des équipements, en proposant aux Sénégalais des infrastructures routières les équipements scolaires et sportifs. Parce que tout simplement, le président Macky Sall a mis le pays sur les rampes d'un développement émergent. La seule conséquence, c'est que nous aurons véritablement sa nostalgie. Et, ce qui nous reste, c'est de prier pour le nouveau président Ousmane, euh, je sais pas, Ousmane Sonko, ou, hein. parce qu'ils disent Djamay, c'est Sonko. Donc quand je dis Ousmane Sonko, je ne me trompe pas. Donc, le nouveau président Diomaye, euh, Bassirou Faye, on va s'y habituer. Hein. Euh, donc, on va féliciter et prier pour le nouveau président Bassirou Djomaye Faye, féliciter Ousmane Sonko en tant que responsable de l'opposition qui a réussi à faire passer son projet, parce que le Sénégal ne mérite pas un surplace. Donc, je ne ferai pas partie de, de ceux qui pensent, qui prient pour qu'il échoue, pour s'en glorifier et le récupérer politiquement. Contrairement à eux, nous nous prierons pour l'intérêt du Sénégal à ce qu'ils réussissent à mettre en place les changements annoncés et les promesses euh, tenues pendant la campagne. Quelle est la promesse politique du parti Oui, ah, je suis très petit pour le déterminer. En tout cas, moi, euh, je reste membre de l'APR, militant de l'APR, et je, je vais euh, appliquer la dictée du peuple. Le peuple a dit, allons nous opposer, laissez les autres gouverner, nous allons nous opposer. C'est cette attitude que j'avais eue lorsqu'on a gagné Abdoulaye jusqu'à ce que je me euh, trouve en difficulté avec mon parti, le PDS, et que le président Sall himself est venu me demander de l'appuyer. Et que les populations, après consultation de toutes les couches, imams, chefs de quartier, Badjanou jeunesse, étudiants, tout le monde m'avait dit Vraiment, Djara, ça suffit. Il faut aller avec le pouvoir pour gagner véritablement des avantages pour la construction de notre commune. Et Dieu merci que le président de la République, depuis que je suis avec lui, ce qu'il m'avait promis commence à avoir les retombées au niveau de la commune. Et si vous voulez, on peut aller vers mon bilan, ce n'est pas le jour, mais aller au théâtre Verdure, aller au dispensaire Madame Sougou, ici même à la mairie qui est en train d'être construite, aller vers la salle de délibération, voir les pavasses qui ont démarré, le foncier qu'il nous avait promis, il nous l'a donné pour les, porter les équipements euh, socio-éducatifs de base qui vont être véritablement le joyau qui fera de Piquet Nord le hub culturel, juvénile et sportif économique même du département de Piquet. Ce monsieur-là, je crois qu'il a une mauvaise lecture des résultats des élections. Je vous ai dit à l'entame de mon propos que le, avec le candidat Amodoba, le nom s'est bonifié. Vous n'avez pas comparé les résultats 1 million 600 quelques mille voix. Au législatif, on n'avait pas ça. Donc le Benno s'est bonifié. Donc si oh, ce, monsieur-là, euh, je ne sais même pas qui il s'appelle encore, morceau, fait cette analyse, c'est parce qu'il a tout faux. L'autre chose, il n'a pas compris la dimension d'homme d'État, équidistant des candidats, même celui de son, de son camp, d'être équidistant de l'ensemble de ses candidats, c'est une posture qui fait gagner la démocratie sénégalaise. parce que pour la première fois, un président sortant organise lui-même les élections sans en être candidat. Et la meilleure façon, la, plus, la plus démocratique, c'était d'être à équidistance. Parce qu'il a une certaine influence et une certaine posture. S'il était du côté, sur le terrain, à côté de son candidat, il allait fausser les jeux. Et à ce moment-là, même si on gagnait, on, on va vaincre sans péril. Et qui vaincre sans péril, Le triomphe sans gloire. Et la gloire, nous l'avons, nous la cherchons, mais pas de toute manière. Pas au prix des, morts, pas au prix des blessés, pas au prix des saccages et pillages, contrairement à ceux qui sont venus au pouvoir. Et je voudrais en profiter pour dire ce qui est positif, vraiment, au-delà des enjeux démocratiques, euh, que gagne le Sénégal aujourd'hui avec euh, ce qui s'est passé, la visite du palais du président entrant par le président sortant. C'est des belles images qui vont euh, vendre le Sénégal et sa démocratie. Et la nation sénégalaise même, sa grandeur va véritablement être bénie et, et chantée partout dans le Sénégal. Mais au-delà de ça, ce que moi je note de positif dans cette élection, c'est que la violence va s'estomper parce que les acteurs de violence sont au pouvoir. Les gens peuvent vaquer librement à leur occupation. Auchan peut venir s'installer librement et vendre. Les Sénégalais peuvent reprendre les stations d'essence. Les vendeurs de télé, de téléphone, Ok, les femmes peuvent mettre leurs perruques, leurs cheveux et leurs bijoux. Euh, le maire de Piquinor peut maintenant installer son bureau parce qu'il ne l'avait pas fait depuis le dernier saccage, au risque, si on les avait gagnés, ils vont attaquer les mairies encore incendiées, voler, piller. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils n'auront pas peut-être le temps de violer, de violenter, de voler, de piller. Voilà ce qui est positif que je retiens dans ces élections. J'ai hâte que véritablement euh, que, le 2 arrive pour que le nouveau président puisse démarrer. Et je l'ai dit, je prie pour qu'il réussisse. Mais il ne peut pas qu'il... Il faut qu'il compte avec une opposition démocratique qui sera là. Et nous en ferons partie, Inch'Allah. Jusqu'à la preuve du contraire.